Amis de la Fada, bonsoir et bienvenue sur votre euh, émission hebdomadaire Tous à la Fada, Fada Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 km de Niamey. Nous sommes à Tawa. Dans la Fada d'aujourd'hui, l'impact de l'utilisation des réseaux sociaux sur les jeunes d'Etawa. Oui, nous sommes avec les jeunes de Tawa, nous sommes avec euh, les patrons des structures des jeunes Tawa, voilà, nous sommes CCNJ, CCAJ, ISCOUT, REZAEN, Maini, Maina. GCI, commissaire et Bumbo Goneo, Borakuno Goneo, Bukakap. Donc, il y a un cela. En effet, avec l'avènement des réseaux sociaux, les jeunes de partout du Niger, aussi bien en zone rurale euh, qu'urbaine, sont aujourd'hui abonnés aux différentes plateformes, notamment Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok. Ils partagent à longueur de journée leur quotidien avec euh, le reste du monde. Tout ceci en temps normal. Millabar, Sambor, Fosse, Talfoku, Saramama sont haifuwa ni gidara. Tari, tangarin da zamba yankul gufuro labarai ki zaban zaman sisrai bora woni seno hon kona energinay sambu irka neo tawa kirka tawa mo irgo istado do istado do zam furta je birai no dinago isdo kalang sijiro se monaram go gangan karang du aradio woy guchindi yinka bon niger me amera tu sala fada mat karang baida mantikala musique no rubrique no ifo ni chek digi fono olivier bomodo garaf olivier ifo no irgi cin kona furta je se le 23 juin passé mm. il y a eu une journée un peu anodine là c'est comme les anniversaires des gens qu'on ne connaît jamais 23 juin passé ouais le 23 juin passé, c'était la journée dédiée à la fonction publique. Ouais. Ok, moi j'ai vu la journée, déjà c'est la, première fois. Et je me suis posé une grosse question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent que les entreprises demandent beaucoup d'expérience. Ok. Et j'ai fait des recherches, j'ai eu des réponses. On va voir tout ça dans la chronique. Attends, ça Allez, bonne émission. Merci beaucoup. Merci Ebora. Eh, matkain kida sonda ir sig salan kala an ti zaman si sirayo kan furta jay goida bon ir furta jaran furta je bore kango gira ngan ga ti furta rawo kin la sabote man ko be kan l'application whatsapp est la plus prisée en zone eh, rurale kawi kawi rawo kan mantigale rawo whatsapp de no bore ba parce que WhatsApp a créé un cadre d'échange virtuel au sein de la population nigérienne, à rassembler des amis, des familles, des groupes professionnels et des millions d'autres euh, personnes qui se partagent des informations grâce à WhatsApp. Inda kayango euh, Adam yan, Leila yan, Abdsalam euh, Noël, Aria denise inde Ono, gonag fakare furta jenno kayan et Toubarikala. Eh, adam eh, vous êtes inscrit sur euh, les réseaux sociaux Oui, je suis inscrit sur les réseaux sociaux. Depuis 2007-2008, moi, depuis que j'étais en 6e, je suis réseaux sociaux. Ok, d'accord. Il faut non ndangara. To, Ndangara, c'est juste par curiosité. Hmm. Euh, j'étais avec des amis qui étaient sur Facebook. Et le monde dit que voilà une plateforme qui te permet d'envoyer des messages et juste avoir un forfait internet et envoyer des messages, hormis les, les messages ordinaires. Et c'est une plateforme qui te permet nous information hein, nous labar faut quand euh, peut-être de mon connecter bon site. Leila, réseaux sociaux bon. Au Je suis sur WhatsApp et sur Facebook seulement. WhatsApp, Facebook. Au début, j'étais seulement WhatsApp, mais c'est cette année même que je me suis impliquée dans Facebook. Ah ok, d'accord. Et pourquoi Bon, pour plus agrandir ma curiosité. Surtout que Facebook, c'est un réseau vraiment euh, que tout le monde, si je peux dire, là-dessus. Et puis, il y a des trucs vraiment que tu peux voir sur Facebook et que sur WhatsApp, c'est trop limité, quoi. C'est seulement tes contacts. Alors que sur Facebook, c'est un peu élargi à travers le monde. vous êtes inscrit sur euh, quelle euh, plateforme je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Ludung, etc., euh, TikTok, tout ça là. J'ai un compte euh, blog aussi. J'ai un compte blog euh, intitulé euh, www.blogsportagaba.com. Mais qu'est-ce que tu as mis dans tout ça là Pourquoi tout, dans tout ça Bon, c'est juste pour s'informer d'abord, la mhm. formation par soi il y a ce qu'on appelle euh, de l'escoutisme, il y a ce qu'on appelle la formation par soi. Tant que tu es adulte, donc tu es appelé à consulter les réseaux sociaux pour euh, s'informer, avoir des informations nécessaires sur l'association, même pour ta propre culture générale. Ok. vous n'êtes pas sur WhatsApp, non, c'est pas votre affaire. Ah. Oh. sans, sans, WhatsApp, là, je crois que mes affaires vont mourir. Hein. <laughs> ah, ok, d'accord. Oui, oui. En tout cas, les activités que je mène sont essentiellement sur WhatsApp et aussi pour les programmations. Activité Déjà, je fais du graphisme et du design. Oh, Donc, ce qui fait que j'ai des clients un peu partout. Il faudrait que quand je fais peut-être la conception, il faudrait que je l'envoie sur WhatsApp. Et des fois, même presque toutes les commandes sont effectuées sur WhatsApp. Mais ce qui est à relever, c'est que bon, faut un gars utiliser sans pour autant savoir l'objectif. Ah, WhatsApp ça a son utilité. Facebook, ça a son utilité. Twitter, Instagram. Maintenant, vous mhm. prenez un exemple. Quand vous prenez Instagram, c'est juste pour publier des photos. Tu n'écris rien. Twitter, si tu veux avoir une information vérifiée, une information vraiment très sûre, c'est sur Twitter que tu vas l'avoir. Moi, je dis que c'est le social sur Facebook. LinkedIn. Quand tu parles sur LinkedIn, c'est pour les professionnels, c'est pour avoir du boulot. C'est pour se créer un réseau. Pinterest aussi. C'est pour les graphistes et puis les dessinateurs. Ah ok, d'accord. Aria toi, tu n'es pas encore sur, euh, sur, les réseaux sociaux Ça reste, non, je suis sur WhatsApp et Facebook. Dans le... Oui Oui. Et pourquoi Qu'est-ce que tu fais là-bas Bon, ça dépend. De quoi <laughs> Ça dépend de quoi Ça dépend de quoi Bon, sur WhatsApp, vraiment, c'est pour les formations, les connaissances, les divertissements. Voilà. Bon, etc. Bon, et sur Facebook, c'est pour euh, voir les informations, l'actualité, quoi. Il faut aimer partager euh, la page du studio Kalangu sur Facebook. Euh, Denise, Nigo Facebook. Aigo Facebook. Nigo TikTok. Aigo TikTok. Nigo WhatsApp. Aigo WhatsApp. Aigo Instagram. Aigo Twitter. Aha. Ivo non gote non. Bon, parce que avec information, j'aime la mode, les voyages, la tendance, c'est cool. La cool peinture. Non, non, Non, non, voilà, et vous l'avez compris, amis jeunes, nous sommes à Ottawa avec les jeunes. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des réseaux sociaux, de l'utilisation des réseaux sociaux sur le quotidien des jeunes. Maintenant, pour te dire quand on a goûté d'abord, quand il y a cool néo, que cool ne n'est pas carré, à ce niveau, cool quand c'est les réseaux sociaux. Bah, ramot comme Marcel Anganda, Les réseaux sociaux, faut d'où faut non WhatsApp, hmm. Facebook, hmm. c'est tout récemment même, j'ai ouvert euh, Facebook parce que c'est à cause de e-report. E-report, Muriam oui, Matassa. Matassa. C'est à cause de ça que j'ai ouvert le compte Facebook. Sinon, c'est WhatsApp seulement que je fais. Ah, ok, d'accord. Il y a encore qu'on va. Quoi on va. Ah, on va, Oui. Okay. Ah, okay. Oui. Je vois. Oui. D'accord. halir euh, ga batora, irin mu koyi ma rubriko difo no gon hunkuna et après on se retrouve à la fada tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Oh. Dans la rubrique rose du dimanche, il y aura de l'actualité web, la prise de poids de Rihanna qui est en train de casser Internet. Ça sera avec moi, votre chroniqueuse Bibi. Puis dans l'espace santé et bien-être, nous découvrirons avec moi Rookie quelques bienfaits du clou de girofle. Et enfin, en cuisine, nous verrons par quoi remplacer le bouillon d'équipe magie dans vos sauces. Ça sera avec moi Marie. Me voilà de retour, nos amis jeunes. Nous avons fait un tour sur le web et ce qu'on ne peut pas louper, ce sont les discussions sur la prise de poids de la chanteuse Rihanna. Après le buzz sur sa grossesse, notamment à cause de son code vestimentaire de maternité plutôt particulier qui a carrément cassé les codes. Elle est devenue maman d'un garçon le 13 mai dernier. Et depuis, chacune de ses apparitions lance le débat sur sa prise de poids post-partum. Malgré les critiques, la belle semble assumer son corps de jeune maman et elle reste toujours aussi stylée. Les filles, selon vous, la plus de poids après la grossesse, ça passe ou ça casse euh, Moi, ça passe. Hein. Moi, je me dis que c'est un changement physionomique ou, qui est assez naturel avec l'âge et les changements tout ça là. Il faut accepter, normalisons ça. Rien. Personnellement, j'aime pas, je suis contre. Ah ouais, ouais. <laughs> Donc tu te mets la pression pour maigrir. Vraiment. Mais <laughs> ben voilà, pour ou contre, euh, moi je suis dans le juste milieu. L'essentiel, c'est de s'accepter et de se trouver belle. Salut les filles, moi c'est Ruki, Aujourd'hui dans cet espace santé et bien-être, nous allons découvrir quelques bienfaits du clou de girofle, qui est une épice obtenue à partir des boutons floraux du giroflier. Nos mamans l'utilisent euh, pour relever le goût de la bouillie et des boissons naturelles faites à la maison. Mis à part ça, les amis, le clou de girofle peut être utilisé comme un anti-inflammatoire en cas de mal de dents, il peut être utilisé en bain de bouche. L'action anesthésiante de l'eugénol, c'est une molécule active du girofle, permettrait d'alléger les douleurs en plaçant simplement un clou séché dans la bouche à l'endroit affecté. En huile de massage, le clou de girofle est utilisé pour soulager le rhumatisme et autres douleurs articulaires. Alors comment procéder Mettre de la poudre de clou de girofle dans une huile végétale de votre choix. Ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de coco, huile d'amande douce. En tout cas, ça dépend de vous. Laissez macérer pendant un mois en remuant de temps en temps. Filtrez et massez l'articulation douloureuse avec ce mélange et le tour est joué. Dans les minutes qui suivent, vous serez soulagé avec l'effet anesthésiant du girofle. C'est pas magique eh ben, c'est magique ça. <laughs> ok, merci pour euh, ton astuce. Maria, on passe à toi. De l'espace cuisine de ce soir, je vous conseillerai des milliers sur des épices de qualité. Poivre blanc, noir, rouge, graines de coriandre, cannelle, cardamome, curcuma, noix de muscade. Toutes ces épices inondent les marchés maintenant. Ça serait aussi bien de ne pas perdre le goût et les parfums de vos légumes avec trop de cuisson ou une longue friture. Assurez-vous que le poivron, l'oignon ou encore la carotte libèrent leur goût dans vos sauces. Et selon notre blogueuse culinaire Jim Kadija, qu'on remercie encore de nous accompagner sur cette rubrique, l'ajout de ces crustacés séchés comme les crevettes ou les crabes peut donner un résultat incroyable. Donc pour toutes ces personnes qui sont en train de vouloir changer, qui sont en train d'éviter tout ce qui est aromates, voilà pour vous une petite astuce. Moi personnellement, je remplace euh, euh, l'arôme magique par de la poudre de crevette. Mesdames, essayez la poudre de crevette dans de la sauce combo, sauce fakou. Moi, je mets même dans du riz au gras ou des pâtes. Je mets partout en fait. Ça apporte du goût au plat. C'est un ingrédient qui est exceptionnel. Essayez et vous allez m'en dire des nouvelles. Euh, Ruki, toi, tu savais pour les crevettes euh, J'étais une année en vacances à la côte, donc je voyais les, les, femmes utiliser ça. Ok. Et le crabe, on en a ici euh, On peut avoir. Si on fouille bien les côtières qui sont ici dans les marchés, on peut avoir. mes crabes séché. Ok, crabe séché. Ben, c'est déjà ça. Hein. On peut avoir des crabes séchés pour parfumer <laughs> nos sauces. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. On va euh, danser sur Tekeba de Rihanna pour clôturer cette rubrique. yeah. Standing ovation. Ooh, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yes, I found. You look so dumb right now. Standing outside my house. Trying to apologize. Voilà, c'était là euh, la rubrique euh, de l'émission Tous à la Fada euh, du studio Kalangu que vous écoutez sur euh, 50 radios partenaires partout au Niger. Nous sommes à Tawa, Irgukwandirwana Fakara de Gina. Aujourd'hui, les réseaux sociaux apportent quoi concrètement dans votre vie de tous les jours hmm. D'abord, moi je dirais que les réseaux sociaux apportent le bonheur, le plaisir, l'information, le partage, l'intérêt et même de l'argent parce qu'on les utilise bore bor nindim bo ah nindim bo niyo ni gadam fo koy bor fodo ay ah, day bon mm. ay ah, si te marketing dans le vrai sens du terme kigni mm-hmm. mais je fais du graphisme je l'envoie aux gens par via WhatsApp et ça me génère de l'argent effectivement à beaucoup de personnes donc kaya okul kay cité en tout cas les réseaux sociaux nous les amènent sont ay oza ini ay fote nyamai wala ay fote maradi ba tawara wararo ay fote ay connecté de nous ay bekan zai connecté ay information donc on est devenu accro à nos téléphones et que toute chose qui se passe, <laughs> en tout cas, on est connecté. Comme on l'a dit, génération TBC, génération Android, on est toujours connecté en ligne pour juste voir des informations et ce qui se passe dans le monde. Ah, ok, super. Ramatou Et eh, je fais du commerce avec ça. <laughs> je vends de arômes naturels, il y a du couscous, euh, de bleu et le farine de bleu encore. Il y a le chou cuir. Eh, eh, eh, même hier j'ai vendu à peu près 15 sachets chez moi quel apport les réseaux sociaux dans votre quotidien pour ah, moi, le principal rapport, c'est par rapport à mes études. Vraiment, je me cultive là-dessus. Je fais... <laughs> je mes recherches. J'ai les TD, je fais les recherches pour les exposer, les cours. Vraiment, moi, le principal rapport, c'est par rapport à mes études. Et puis, deuxièmement, par rapport à la société, comment ça me met en relation avec des personnes, vraiment, d'autres personnes que tu n'auras pas l'occasion de les connaître, mais avec les réseaux sociaux, tu vas faire beaucoup de connaissances même à travers le monde. c'est vraiment utile. des connaissances que tu peux utiliser. Vous avez rencontré qui, par exemple les oh, Des amis. comme qui Les amitiés sur Facebook, je ne ah, prends pas au sérieux. sur Facebook. <laughs> Absalam, euh, nous avons un réseau social Maintenant, est-ce que vous pouvez passer une journée sans votre euh, téléphone portable et smartphone Vraiment, ce n'est pas facile. Ah, c'est pas facile pour moi parce que toujours j'attends des emails, des messages. Euh, Donc moi j'ai postulé des formations ou bien des, des renforcements des capacités en ligne tout ça là, je pense pas que je peux passer, si dans les cas échéants, je ne pense pas passer une seule journée sans me connecter parce que euh, aujourd'hui, j'ai postulé à plusieurs euh, plateformes que j'attends les retour. Donc euh, il est important que j'ai souci <laughs> de ne pas se connecter. Et les réseaux sociaux je pense pas, c'est pas possible parce que euh, tout le temps Facebook, euh, Facebook et Twitter, je regarde et je contribue parce que euh, on est déjà, on est appelé d'être utile envers nos communautés. Et je suis tout le temps connecté pour voir l'actualité et contribuer à quelque chose à proposer. Peut-être on propose et on commente et ça va. Super, par exemple. Depuis que vous avez commencé à utiliser les réseaux sociaux là, quel est l'avantage que vous avez eu dans l'utilisation vous a vraiment marqué Qui m'a vraiment marqué. Hmm. Bon, je dirais que c'est dans le cas de la Jeune Chambre internationale. À DCI. Donc, euh, pour être formateur, il y a des modules qui sont dispensés dans les cours. Mais tu pars faire euh, le test. Le test se fait en ligne. Donc, c'est à travers, si je peux le dire, les réseaux sociaux, c'est à, travers euh, l'Internet que j'ai pu valider tant de modules et qui aujourd'hui je suis formateur certifié de la jeune chambre internationale. Voilà, applaudissez pour lui. Okobase, oh, Ebani, formateur certifié Koulou. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit vraiment. Et <laughs> eh ouais, amis jeunes, nous sommes euh, à Ottawa, nous sommes en train de parler euh, de la thématique euh, utilisation des réseaux sociaux au Niger, quel impact sur les jeunes d'Etawa, sur vos quotidiens, où est au bonheur, bon excellent. Denise, quels sont les dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux ça c'est dangereux de. dingira 2000 semaine wal borgo dan 5000 semaine han fonim to nisin ba en franc e eh, bondo orgi temi hankan ni dona ce ma ka animi mm. me wadi Dangero. ça c'est danger. maintenant c'est l'utilisation way din wodin man duwano wala utilisation go dingo goyda risque fo no gara wala risque sara risque bo ah ok quels sont les risques alors risque bo bianga zam han fo ni ba nim koy glabar fo ceci nim ceci nim ceci man duwa hmm. nim koy ha am te problème koy ok d'accord

experience parce que peinture foyon gon kan de mat kay réseaux sociaux utiliser wallahi sba ba ali gon hmm. à travers ngay noy du bay peinture han foyon gon kan bor ko mande ni min every time buri sai na go continue to da ko to yin kan ga adam Denise nika c'est la même question. Quels sont les risques liés à l'utilisation des eh, réseaux sociaux. Eh, bon, il y ne quand aya kulgon haifo da mm. a risk Réseaux sociaux ont des avantage Ils a dama ils du information irmu possible offre offre yon bon kan an des ko te Donc tout ça là c'est des avantages. Mais on convient parce que nous disons ont des comptes Facebook son ont des publications publications, pirater am publication Ko mhm. quand on prend Facebook vous allez voir, certains ont beaucoup de stickers. Et que jusque ton doigt glisse sur un sticker qui est nocif, qui peut-être tu l'envoies à une personne intime. Ça rentre dans un groupe, on peut avoir une mauvaise connotation de toi. Tout ça là, c'est <laughs> vraiment négatif. Hmm. Et que ça porte atteinte à la réputation et à l'image de la personne. De la personne. Et c'est vraiment dangereux. Léla, il n'est pas rare d'entendre dire des fausses informations, fake news, Tarino, Chimino, Tarino, Chimino. Euh, raconte-moi, euh, toi personnellement, ce que tu as vécu dans ce sens-là. Il faut qu'on dise quand Bon, vraiment là-dessus, ça ne manque pas. Hmm. Sur WhatsApp, sur Facebook, tu vas voir, on va publier une information et puis après on va venir, c'est une fake news, voilà, c'est si, voilà, si, là. Et puis ça va porter atteinte peut-être aussi la personnalité même de la personne. Donc tu vas, les que nous, là, vraiment, les personnes doivent prendre conscience de cela. Parce que tu peux nuire à une personne seule le savoir à travers cela. Mm-hmm. Et puis maintenant, il y a un réseau social qui est là, qui prend de l'ampleur, surtout pour nous les filles. Les filles pensent que c'est d'être trop civilisé, le TikTok. Tu t'habilles bizarrement, tu viens, tu fais des gestes, tu fais des vidéos et tu publies ça à travers le monde. Mais sans avoir conscience que cela peut te rattraper un jour. Tu es une euh, fille. Comment ça peut me rattraper un jour euh, Ça perçoit. Ah bon Tu es une fille, tu publies tes vidéos à travers le monde. Peut-être euh, il y a un monsieur là qui est heureux, il veut te marier. Si tombe ce genre de ah. vidéo, tu vois, ça, ça va le décourager. Ah, ah et puis, même après le mariage, tu as appelé à fonder une famille. Et puis, les vidéos là que tu as publié dans. 50 ans après. Oui, c'est oui, ça. Ou bien quand tu seras une personnalité, on va prendre ça pour publier, et puis ça va te nuire. Alors qu'au au moment dont tu faisais ça, toi, tu prends cela comme un plaisir. Donc vraiment, c'est de se contrôler, savoir ce qu'on peut publier, et puis d'être conscient vraiment de l'effet. Euh, Salam maintenant, comment vous, vous faites la part des choses entre ce qui est vrai et, faux sur euh, les réseaux sociaux euh, Toujours, euh, c'est d'être prudent pour vérifier, il faut vérifier d'abord si l'information est payable ou pas. Comment vous vérifiez l'info Donc, euh, à travers euh, le la recherche de, ressources, sources. Est-ce que le source est payable La personne qui m'a envoyé l'information, peut-être je vais encore lui faire un retour pour demander est-ce que l'information est payable Est-ce que l'information c'est où, quand et comment donc tout ça là, c'est des questions à poser pour savoir, si possible, même, même si je ne suis pas journaliste en formation, il faut toutefois aller sur les terrains voir est-ce que c'est vrai ça là. voilà, pour oh. comprimer que, ou bien pour publier. Parce que euh, on n'est pas appelé, en tant que blogueur, on n'est pas appelé à publier de n'importe quoi, mais plutôt de publier des trucs qui sont vérifiables et sûrs aussi. Eh, Yadino. Eh, amis gens de la FADA, on va eh, continuer notre émission. tous à la FADA, vous écoutez tous à la FADA. Et la FADA est aujourd'hui à Tawa. Tawa, plus précisément au stade euh, municipal de Tawa. Euh, à de Guinée, on va euh, écouter un peu la musique avant de continuer notre émission. Jisite nisite no Ningu wini kuwino Jisiwi nisiwino Hini noru imawi Alborbakilu imawi Ikwema aiweme wada alborbakilu Akonda isipe asinda isipe Norogo zibara akakenge hawai Bafunda sasuwa heo mabofutei Sakinera Malam batanera saginera can mace sere sefa dinga hinniga hinno jisi hinni si hinno dinga teniga teno jisi teni si teno dinga winiga wino jisi wini si wino eni noru imawi alborbakilu imawi Eh, la ami Jeanne, c'était là eh, la musique eh, de l'émission tout ça la Fada. Nkuno tao nirgo. Tao mo kirgo neo. Zaman si sire sani nirgo tefa. Susubo kasurgo sanoga. Ay karanga. Par exemple, il n'est pas rare d'entendre parler des hackers, des pirates, des brouteurs. Comment protéger sa vie privée Sonda, leila sintingachi, kula fan sano. To, en réalité, au day, formatisez no On dit les discussions ou bien les conversations sont chiffrées de bout en bout. Par exemple, le WhatsApp, c'est pratiquement très difficile, un bon compte piraté. Mais sur Facebook, c'est très facile. Voilà, pour les gars piratés, il me semble qu'il faut que tu publier le compte bo i pirater on est be banki beg pirater ay begi di bo fo kan ba som de fugo ay dia message kan ati gine il a pris tous ses contacts pour envoyer des messages simples ane kan wala man no goga hay in konto pirate no parce que hay kan go hayo ago fatlakal quoi ingo asingati kuli goga ke gina se no filane bani nugo ponto hayo go te nugo hayo publie comme comme ça te message a whatsapp gine gaisi wala ni konto pirate no bo fo no goga hay publie mm. donc wodi en eh, igika bo fo ngon kan yo de nuya im konto pirate wali min go ke im ka whatsapp bon wali facebook im tel se message gine ni se engay no kiti awo yisi tambara bazum wonde Oh. fond, faut nous gonda quand tu ces messages. Anay c'est anay c'est au nom de ma nation, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Anay c'est appelle-moi. Amaye ah, répondre ici. Déjà il quand tu nous. Oh. Voilà anay c'est nous appelle-moi. Amaye wegine c'est au nom de ma nation, il faut ici. Donc c'est des genre de situation là, il c'est nous compte bancaire ton numéro de compte bancaire après hal ni gungidi compte naye. Donc à quelle ah. heure les agences de téléphonie mobile Inga Deno Gihinga Haifote, parce eux ils ont des spécialistes dans le domaine qui peuvent en tout cas mbore wa da wani yankwa to eh denisu ya mumbo mont falbo zaminga ino igo abcd olifoni gina sosa abca denisu aran abc abca o iman charan se matano borte bai kan wallahi man jangay pirate man jang bor pirate man do borte halin bor pirate bor bai kan idin bor pirate parce que publication ay gidam hmm. man tiwo kan ni igi oh. furkutarai wanda ke iga hayo yaringa zai nim pirate ni bai ko nim guna confidentialita do non fo gon kan bor bulo ke din si ba pirate am furni kontora o oh, non gu gon kan confidentialite oh. nim dan borai kan ni ba nim su ban borai kan ni ba im din konto borai kan si ba mika ba WhatsApp bon à gon. Nous bogo ABCD. Oh ABCD. ABCD. Association des blogueurs pour une citoyenneté active. Active voilà. Digri par fo un son. Ay wo an fo borfo écrire ici. elle s'appelle telle telle telle et que voilà voilà. Elle veut que on fait appel vidéo. Mathieu. Mais appel vidéo quoi en étant déshabillé. Réseau. Réseaux sociaux. on va faire appel vidéo en étant déshabillé. Je lui envoie mon numéro WhatsApp. Ça là, un ami l'a fait, hein. mais elle l'a utilisé contre lui pour lui dire s'il n'envoie pas telle somme, donc dans mon tout assez à aga publié. OK. à de manière nue. Tout ça là, ça existe dans les réseaux sociaux. Et c'est des effets néfastes. Maintenant, quand toi, peut-être, tu as une conscience peut-être aussi minime ou bien tu es, tu facilement, tu peux suivre. Je me déshabille, on fait l'appel vidéo et que demain, elle va dire un si tu ne peux pas telle somme, voilà, je vais publier. Et que on sait qu'on a honte peut-être de paraître et nocif ou négatif au jugement des hommes. Tout le monde veut paraître sincère au jugement des hommes et que mhm. Et voilà. Donc même si tu n'as pas l'argent, bon, tu crées les conditions pour les avoir, juste pour envoyer. Ainsi de suite. Ok. Et voilà. Euh, ami Jana de la fada ine au wono yergo matken Kira sonda eh, irsimo kala émission tous à la fada bon ankergo gfakara de furtaje ankangati eh, zamani sisirai bon eh, halir kondir fakara de gina Irka euh, irga olivier ga sonda aka ni rubu rubu zuru de Olivier ça va, <laughs> Olivier, maintenant, Ça va très bien, Dieu merci. Et Tawa on gère, on est à Tawa, on vit, on kiffe, on produit. Il y a la fraîcheur, on... Euh, ouais, on apprécie. Voilà. Ouais, ça c'est après l'émission. <laughs> bon, nos auditeurs, nous écoutent. Tu as quoi pour nous Eh bien, écoute, ce soir, comme je l'avais annoncé le 23 juin passé, j'aurais appris qu'il y a eu une journée qui est dédiée à la fonction publique, ok, C'était la journée international de la fonction publique. Et cela a été célébré ici même au Niger, au Palais des Congrès de Niamey. Est-ce que vous, à Ottawa, vous avez célébré cela Non. Bon, bref, ce soir, on va parler du recrutement, ok Et surtout, cette thématique qui arrive à chaque fois, le nombre d'expériences qu'on demande aux jeunes. Il est fréquent que dans les discussions, on, les jeunes se plaignent qu'ils sont jeunes et pourtant on leur demande beaucoup d'années euh, d'expérience. Des entreprises préfèrent des jeunes de 18 ans avec 10 ans d'expérience. C'est ce que certains disent. Eh bien, la réalité est qu'en Afrique, nous avons un manque incroyable de compétences spécialisées sans offenser qui que ce soit. Sur les dix dernières années, selon certaines estimations, les budgets formation des entreprises sont passés de 0,5 à 3 de leur budget. C'est-à-dire les grandes entreprises y mettent désormais 3 de leur budget pour former leurs agents. Les formations universitaires sont de plus en plus basiques. À la limite, tu pourras te former en comptabilité sur le net que tu serais meilleur que celui qui s'est inscrit à l'université. Alors, les BABA sont souvent obsolètes et peu réalistes. On continue d'ailleurs d'enseigner les métiers qui n'existeront plus en 2030. Alors, on se demanderait, mais c'est quoi la solution La solution, c'est que certaines entreprises se rabattent sur l'expérience au moins ils se disent ceci, au moins avec l'expérience, il y a une certaine maîtrise du métier. Alors la logique voudrait que expérience égale petite maîtrise et grande expérience égale grande expertise. Alors en conclusion, on peut avoir 18 à 10 ans d'expérience tout simplement en arrêtant de ne pas se former et surtout en se laissant sur des projets connexes. Le monde, comme le diraient certains, est un puits de savoir sans fond de nos jours. Alors on peut y plonger. La solution pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est de continuer à se former, former à travers des formations, former à travers des ateliers, former à travers surtout les réseaux sociaux. Et aussi, il faut aller à des conférences, il faut participer à des ateliers. Quoi qu'il en soit, le travail y est, les opportunités y sont, mais très peu de personnes seront à la hauteur dans le monde de demain. Car ce qu'on néglige aujourd'hui, sera quand même important demain et le monde de demain sera deux fois, voire dix fois plus compétitif que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Chers amis auditeurs et auditrices, préparons-nous. Bye bye. Bye bye Olivier. C'était là la chronique d'Olivier. Olivier, merci beaucoup. On a tiré beaucoup de choses dans ce que tu viens de raconter là. Ma dernière question est la suivante. Comment utiliser les réseaux sociaux là sans problème, sans risque, sans danger, sans pirate, sans hacker et voilà, tirer son épingle du jeu moi, comment utiliser les réseaux sociaux, moi d'abord, je vais revenir par rapport même à la fameuse loi sur la cybercriminalité. Parce que cette loi, il est connu de tous qu'elle n'a pas été vulgarisée à un tel seuil où tout le monde puisse, en tout cas, oui, même la modification. Si c'est pas nous qui suivons toujours le conseil des ministres, on suit la télé, on suit l'actualité en, temps réel. Qui ont cette information, beaucoup n'en ont pas et que beaucoup utilisent les réseaux sociaux juste parce que voilà, on a le plaisir de l'utiliser, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Donc cette loi doit être vulgarisée. L'État doit créer les conditions nécessaires afin que tout Nigérien qui utilise les réseaux sociaux puisse comprendre que voilà, tout n'est pas permis de dire. On veut dire des choses. Aujourd'hui, si vous avez constaté dans ce monde, tout le monde est devenu journaliste. tout le monde est, devenu informateur barkul no oh barkul il euh, cap image voilà voilà incendie tel eh, voilà tout le monde est devenu informateur. Et que beaucoup me connaissent cette loi. Il faut que cette loi puisse être vulgarisée de telle sorte qu'elle cadre, en tout cas, avec les publications que les gens auront à faire dans le futur. Ça, c'est important. Comment l'utiliser à bon escient, ça aussi, ça revient à une prise de conscience collective de la part des utilisateurs. Merci beaucoup Adam et merci à Jean de la Fada. Ainsi s'achève notre émission Tous à la Fada d'aujourd'hui. Némenor Kagto, Irun Kun Sigiro Meir Fondogo, du Suro du Kokaro Karangog Dangi Sido Kalangu Sigirangan, Arabio, Wobuchi Ninkabo, Nizer, Medamera, Hunkuna in tawo Erika, Inde Tau Furtage, Irno Salangi, Teacher Mera, Kangati, Zaman Sisirebo, Sunday for the Gagsine for Dena Fono Furtage Gonogu, Gowenora, Oine Bono Fakare Hunkuna, Irgaram Fondogo, du Suro du Kokaro Kandangirangan,